forum du studio le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio le forum studio le forum studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le forum d'aujourd'hui a pour thème Les enfants en conflit avec la loi au Niger, traitement et prise en charge des cas. Qu'est-ce qu'un enfant en conflit avec la loi Quelles sont les principales infractions que commettent ces enfants Qu'est-ce que les textes prévoient en termes de correction ou de protection Telles sont l'une des questions auxquelles le forum de ce soir apportera des réponses par l'entremise de nos invités qui sont Ninon Lingrand, chargé de projet carcéral et post-carcéral à l'ONG Grandir Dignement, Madame Mariama Daura, travailleur social au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, et Zakariaou Mahamadou, substitut du procureur et ancien juge des mineurs à la présentation à Alassane Kouzi Mahamadou. Chers auditeurs et auditrices, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du forum qui traite d'une problématique d'actualité, à savoir les enfants en conflit avec la loi. De nos jours, il n'est un secret pour personne que la délinquance juvénile prend une ampleur inquiétante, surtout en milieu urbain où des enfants s'adonnent à des actes répréhensibles de tout genre. Cela va des infractions les plus légères aux infractions les plus lourdes. Les conséquences qui suivent sont dramatiques non seulement pour la société, mais aussi et surtout pour les concernés, les enfants. Ces derniers peuvent être arrêtés et condamnés. Selon la loi, au Niger, la justice des mineurs est régie par la loi 2014-72 du 20 novembre 2014, déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger. Un mineur ne peut être incarcéré qu'à partir de 13 ans, selon l'article 21, lequel dispose qu'en aucun cas le mineur âgé de moins de 13 ans ne peut être détenu préventivement. Ce même article renseigne en son alinéa 3 que dans tous les cas, le mineur en détention doit être séparé des adultes et placé dans un quartier spécial ou à défaut dans un local spécial. Les deux corps euh, étant plantés, je donne la parole à nos invités pour que chacun puisse se présenter. Je commence euh, par ma gauche. Nino Lengrand, chargé de projet carcéral et post-carcéral à l'ONG Grandir Dignement. Je suis là en tant que chargée de projet et je suis aussi juriste de formation auprès euh, de l'association Grandir Dignement. Euh, en fait, on est euh, actif au Niger depuis 2016, mais on existe depuis 2010 et on a des activités aussi en France et à Madagascar, donc euh, depuis plus longtemps. Notre euh, ligne de conduite est le respect de la dignité humaine en milieu carcéral et plus généralement durant tout le processus euh, judiciaire pour les enfants. Et on, on est une petite ONG qui, en fait, porte ses activités autour de trois axes principaux. Euh, donc en fait, on les protège, on les accompagne euh, pendant euh, leur détention. Mhm. On prépare aussi à leur réinsertion sociale et professionnelle, mais on essaye aussi de développer des mesures et des peines alternatives à l'emprisonnement pour permettre d'éviter justement l'incarcération systématique mhm. et un plaidoyer de sensibilisation. À ma droite, Madame Mariama Daura, travailleur sociale au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Au niveau de la justice, je suis donc travail social, vous venez de le dire, et j'étais à la maison d'arrêt de Niamey. Là-bas, j'avais comme rôle d'assister, d'accompagner, d'essayer de comprendre et de conseiller les mineurs qui sont en conflit avec la loi, et pas les mineurs uniquement, même les, majeurs. Euh, nous donnons la parole à M. Zakariaou Mahamadou, substitut du procureur, je le disais, ancien euh, juge des mineurs. Bon, ma relation avec euh, les enfants en conflit avec la loi, vous l'avez déjà dit. J'étais juge des mineurs au tribunal de grande instance de DIFA pendant 5 ans. Après, j'ai été affecté au tribunal de grande instance de Zender où encore j'étais juge des mineurs pendant pratiquement deux ans. Et après, on m'a affecté à la chancellerie, euh, au ministère de la Justice, où j'étais chef de division en protection de l'enfance en danger en conflit avec la loi. Mmh. Et entre-temps aussi, j'ai fait des consultances, j'avais fait des consultances pour l'UNICEF, notamment sur la justice des mineurs de manière globale mm. et sécurité. Et également, j'ai travaillé pendant deux ans et demi avec l'ONIDC sur les projets justice des mineurs et enfants associés au groupe terroristes. Mm. Je suis encore chargé des formations, je mm. forme les magistrats sur la justice des mineurs et et, les juridictions du mineur, la mm. protection de l'enfant de manière générale actuellement. Bien, puisque nous y sommes, qu'est-ce qu'un enfant en conflit avec la loi Bon, un enfant en conflit avec la loi, euh, de manière générique, j'allais dire, c'est un enfant qui a commis une infraction à la loi pénale, c'est-à-dire un enfant qui a fait un délit, un crime ou bien une contravention. C'est ça qu'on appelle un enfant en conflit avec la loi. On le dit en conflit avec la loi parce que et à l'opposé du majeur qui lui il comprend l'essence de la loi. Mm. L'enfant ne comprend pas l'essence de la loi, ne sait pas pourquoi la loi a été faite. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est en conflit avec la loi. C'est tout enfant qui a commis une infraction à la loi pénale. Mm. Donc c'est ça qu'on qualifie à travers nos dispositions euh, légales donc d'enfants en conflit avec la loi. Quelles sont les infractions euh, que commettent ces enfants en général Bon, euh, vous savez, commettre une infraction, on ne les choisit pas on peut les commettre, toutes les infractions possibles qui sont prévues au niveau de notre code pénal, les enfants peuvent les commettre. Mm. Mais de manière plus, plus générale, plus mm. spécifique, quand vous prenez chez les enfants, mm. euh, les infractions les plus courantes euh, sont pratiquement des délits, c'est-à-dire euh, des petits vols, des rien du tout, consommation de drogue, etc., etc., les coups et blessures volontaires. Donc c'est pratiquement des petites infractions qui ne sont pas suffisamment graves les plus souvent que ces enfants-là commettent. Mais souvent aussi, on peut trouver certains cas où un enfant a eu à commettre avec toute une ingénierie, donc euh, toute une intelligence, mm. euh, des infractions, ou même un major souvent ne fait pas commettre. Mm. Donc tout est possible, ça dépend toujours euh, de l'environnement dans lequel l'enfant fréquente et l'enfant côtoie. Mais sinon, le plus souvent, c'est les infractions des petits vols, mm. des CBV, donc cause et blessures volontaires, consommation de drogue, etc. etc. Le plus courant, c'est ça. Madame Maria Daura, travailleuse sociale au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Euh, d'après vous, quels sont euh, les facteurs clés de la délinquance juvénile au Niger Moi, je dirais que les facteurs clés de la délinquance juvénile euh, au Niger, c'est surtout la précarité, comme la majorité des cas des infractions qu'on reçoit, c'est des petits vols, le juge vient de le dire. Donc euh, c'est la précarité des familles qui peuvent euh, amener l'enfant à commettre des vols. Des fois c'est la fréquentation, quand l'enfant fréquente euh, une mauvaise compagnie. compagnie. Ça va de soi que cet enfant commette un vol et qu'il devienne un enfant en conflit avec la loi. Nino Lingrand, est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous voulez bien nous dire, en tout cas qui peuvent expliquer certaines infractions eh bien, en plus de la précarité, j'ajouterais euh, l'encadrement familial. En fait, euh, je vais peut-être parler aussi par des exemples précis parce que c'est peut-être aussi plus simple, mais en fait, euh, la plupart des, des, cas que je vois tous les jours d'enfants qui arrivent, c'est des cas où les familles ne sont pas vraiment présentes ou absentes, ou loin, éloignées dans la périphérie et c'est vraiment la plupart du temps en fait euh, des enfants qui sont pas encadrés du tout et qui se sentent même parfois euh, mal aimés, qui ont même une mauvaise estime d'eux-mêmes, ce qui je pense joue aussi. Donc euh, c'est vraiment le manque d'appui, de soutien et de confiance en soi qui fait que on tombe aussi dans ces cycles de délinquance, on, se méprise et on méprise la société dans un même temps. Mmh. monsieur Zakariao est-ce que l'échec scolaire peut être un des facteurs euh, le premier, à mon avis, celui qui est déterminant, c'est le facteur responsabilité parentale. Donc, quand il n'y a pas un encadrement au niveau de la famille, c'est plus facile pour un enfant, effectivement, de tomber dans la délinquance juvénile. Mais si on est avec des parents qui sont très regardants, qui sont vraiment des responsables, comme on a l'habitude de le dire, mm. parce qu'aujourd'hui, le plus souvent, les enfants qui, tombent dans la délinquance, mm. c'est les enfants où les parents ont complètement démissionné de leur rôle, de leur rôle des parents. Donc euh, cette démission peut effectivement pousser les enfants à faire de mauvaises fréquentations, à aller même là où il ne fallait pas aller, à commettre même ce qu'il ne faut pas commettre. À travers le Niger, moi j'ai beaucoup travaillé dans toutes les régions. Chaque région a aussi ses spécificités au Niger. Quand vous allez partir à Maradi, vous allez voir les cas de délinquance ce n'est pas les mêmes qu'à Zender, par mm. exemple. Mm. Mais de manière générale, quand vous prenez la responsabilité parentale, donc le rôle des parents est déterminant pour encadrer un enfant. Comme elle l'a effectivement souligné, nous avons d'autres facteurs qui ne dépendent pas aussi des, parents. Par exemple, la démission aussi de l'État de certains secteurs tels que l'éducation, par exemple la formation, peut effectivement également euh, être un facteur déterminant. Mm. Parce que l'enfant est censé être à l'école. S'il n'est pas à l'école, imaginez-vous, effectivement, il fallait être dans des, dans des endroits où il ne fallait pas aller. Mm. Donc la démission de l'État aussi de certains eh, services base, sociaux de base peut également être un, un facteur déterminant. Mm. Bon, il y a la pauvreté ambiante, comme elle l'a elle a dit aussi. Souvent, les enfants, il y a des familles, ou même, on n'arrive même pas effectivement à à nourrir les enfants, les trois repas par jour n'arrive pas à les faire. Il y a des enfants qui prennent même la famille en charge, etc. etc. Mm. Donc ça, c'est la pauvreté en Vienne, c'est les mm. caractéristiques effectivement de notre société. Sinon, euh, de manière générale, euh, quand on a une famille qui est vraiment disponible, qui suit les enfants, ah, ça sera difficile pour un enfant d'aller tomber dans la délinquance. Nous abordons la deuxième partie de l'émission concernant le traitement et la prise en charge des cas d'enfants en conflit avec la loi. Je commence par vous, Nignon Lengrand, chargé de projets carcéral et post-carcéral au niveau de Grandir Dignement. Comment les cas d'enfants en conflit avec la loi sont pris en charge en prenant en compte la chaîne allant de l'arrestation, le jugement à la condamnation alors, euh, à l'échelle de notre euh, ONG, on prend en charge dès l'incarcération, euh, on commence un suivi sur différents plans. Donc on considère qu'un accompagnement et euh, une remise aussi en confiance du jeune va permettre qu'il évite de récidiver. Donc on commence notre travail dès son arrivée, donc euh, en tissant aussi un lien de confiance avec lui. Euh, donc, va y avoir aussi une formation professionnelle qui va être offerte mais pas obligatoire pour euh, ceux qui y sont intéressés, des activités d'alphabétisation, donc un suivi euh, psychosocial au, mieux du possible pour euh, pouvoir justement travailler avec le jeune et qu'il puisse être motivé en fait et investi dans son projet de vie future. Et notre but c'est ça, c'est vraiment de créer un projet de vie future et ensuite on va l'accompagner de 3 à 6 mois à la suite de son incarcération dans le lancement d'une activité, euh, soit d'une micro-activité économique, soit euh, de, par exemple, un placement chez un chef d'atelier euh, en couture, en mécanique moto. Pour l'instant, on agit à Niamey et à Zander. quels sont les aspects sur lesquels, en tout cas, vous accordez une, une attention particulière Je dirais qu'en fait, nos activités en prison sont là en attendant en fait d'avoir plus euh, de mesures et de peines alternatives à l'emprisonnement. On a aussi en parallèle euh, mis en place des, des mesures alternatives qu'on appelle PEMO. Nous allons en parler. Ah, ah ok, d'accord. Nous allons en parler. <laughs> C'est bon alors. Eh <laughs> eh, Monsieur Zakaria ou est-ce que vous pouvez nous dire de l'arrestation à la condamnation d'un enfant en conflit avec la loi, comment est-ce que euh, cet enfant il est pris en charge, comment s'est fait le traitement euh, euh, du dossier En fait, moi, je ne dirais pas la condamnation d'un enfant avec, en conflit avec la loi. Mm. Parce qu'en réalité, le traitement, euh, si on va se positionner, s'installer dans la dynamique des instruments internationaux que nous avons effectivement ratifiés, c'est pratiquement la rééducation. Mm. la rééducation et la réinsertion. La justice des mineurs n'est pas une justice de répression, c'est une justice de restauration. Donc en réalité, le traitement, c'est-à-dire lorsque un enfant a été interpellé, par exemple par une unité d'enquête ou une brigade de mineurs quelque part euh, à Niamey ou bien quelque part dans les autres régions, en principe, dès son interpellation, on doit mettre un mécanisme euh, qui puisse commencer à faire le traitement euh, de son cas. Quand on parle de traitement, c'est savoir pourquoi d'abord l'enfant il agit. Parce que l'enfant, on ne le sanctionne pas. Hmm. Lui, il ne connaît pas la sanction. Même si vous le sanctionnez, si vous ne cherchez pas d'abord à comprendre pourquoi il agit, donc vous allez faire un travail, ce qu'on a l'habitude de dire un travail arabe. C'est-à-dire, vous allez le sanctionner sans qu'il sache pourquoi vous l'avez sanctionné. Donc c'est pour cela, tout ce qu'on voudrait installer dans le traitement, c'est faire en sorte que l'enfant ne soit pas également victime d'un système. C'est-à-dire qu'il soit pris en charge conformément à son degré de maturité et conformément à ses besoins, au niveau de l'enquête, s'il est interpellé, ce n'est pas pour aller être jeté dans une cellule ou bien dans une, dans une cellule à la, police d'isolement, mmh. Mmh. mais c'est pour effectivement, dès qu'il en contact, dès qu'il est en contact avec la police, qu'on arrive déjà à chercher où sont ses parents, qu'on arrive à chercher le travailleur social, à chercher la victime, pour comprendre déjà à ce niveau pourquoi l'enfant a effectivement agi. Et lorsqu'il est déféré au niveau des parquets, aussi le procureur doit faire le maximum de lui pour éviter la poursuite à cet enfant. Donc il faut chercher les mesures alternatives à la poursuite. C'est-à-dire, un notre cas actuellement, nous avons dans notre, dans notre dispositif ce qu'on appelle la euh, mesure de réparation ou la médiation pénale. Mm. Donc à l'image nigérienne, pas telle qu'elle a été effectivement euh, conçue par les instruments internationaux. Mm. Donc c'est pour éviter à ce que l'enfant soit poursuivi et c'est une sorte de conciliation, entre la victime, l'enfant, ses parents mm. et le procureur qui est pratiquement le directeur de cette conciliation-là. Mm. Et une fois la solution trouvée, donc à partir de ça, si la solution est trouvée entre la victime et l'enfant, donc on évite une poursuite à l'enfant. C'est-à-dire on arrête la procédure à partir du parquet. Mais si ça continue, c'est-à-dire si on n'arrive pas à arrêter mhm. les traitements à partir du parquet, mhm. si le procureur estime qu'il fait effectivement saisir le juge de mineur et que le juge de mineur aussi à son niveau, la loi a mis un certain nombre de garanties de disposition pour protéger l'enfant, mhm. notamment les mesures alternatives à la détention telles que euh, grandir dignement un peu planifié à travers les PMO, etc., etc., la remise à parents, etc., etc. C'est pour éviter d'envoyer l'enfant au milieu ah, carcéral. Parce que le milieu carcéral, quoi qu'il en soit, c'est un milieu négateur pour un enfant. Euh, il y a des conditions, par exemple, qui sont obligatoires euh, dans le processus. Notamment, euh, l'enfant doit être assisté par un avocat avant toute interrogation. Est-ce que c'est... c'est en principe, la loi dit, depuis l'interpellation, on doit commettre un avocat ou un commis d'office. Et là, c'est le procureur, l'unité d'enquête ou la brigade des mineurs. En principe, si le système fonctionne bien, doit saisir le procureur et le procureur saisir le juge des mineurs pour qu'on désigne dès l'enquête euh, un avocat à cet enfant-là. Mm. Parce que c'est son droit. Nous avons plusieurs textes au Niger qui le consacrent, notamment la loi 2011-42 qui a créé la NAGE, qui dit mm. qu'il doit être assisté gratuitement. Donc c'est toujours un débat à ce niveau. Ce n'est pas effectif mais quand même les textes l'ont consacré. Madame Maria Madaura, travailleur social au tribunal de grande instance, euh, le travailleur social, son rôle, euh, c'est quoi son rôle dans, euh, dans cette chaîne On intervient dans le processus quand l'enfant est parti en prison. Mais ça dépend des cas aussi. Mm. Il y a des cas où c'est depuis la justice, mm. les juges des mineurs appellent le travailleur social. On essaie de gérer le cas ensemble avant que l'enfant partent en prison ou bien soit remis à ses parents. Vous parlez Mais jamais au niveau de la police. Voilà, vous parlez d'une enquête que le juge des mineurs peut demander. C'est quoi l'objectif de cette enquête euh, L'objectif de l'enquête, c'est d'élucider le juge à travers euh, la situation de la famille de l'enfant, l'évolution de l'enfant, à travers sa situation en général. pour voir un peu dans quel, dans quel environnement l'enfant a, vécu. effectivement, c'est pour, c'est pour comprendre les raisons de l'agissement de l'enfant que le juge commet le travail social pour faire une enquête sociale. Et au niveau de la maison d'arrêt, on fait le travail du suivi psychosocial. On fait le travail du suivi psychosocial mm. pour essayer de d'amener une aide psychologique à l'enfant afin qu'il puisse pouvoir euh, supporter le temps qu'il va passer en détention. On donne des conseils afin que l'enfant puisse se situer une fois à liberté pour ne pas qu'il récidive. On donne des conseils donc à l'enfant et aux parents pour les aider dans son accompagnement et dans son éducation afin d'éviter vraiment cette récidive. Bien. Voyons quelques chiffres sur les enfants détenus. Selon des chiffres extraits de l'annuaire statistique 2011-2015, euh, édition 2016 du ministère de la Justice, quelques 870 mineurs ont séjourné dans les établissements pénitentiaires du Niger durant l'année 2015. Et sur ces 870 mineurs, 14% sont condamnés, soit 120, et 86% sont en détention préventive, soit 750. On remarque qu'il y a plus de prévenus que de condamner. Euh, Monsieur Zakaria Mahamadou, substitut du procureur et ancien juge des mineurs, à votre avis, qu'est-ce qui explique euh, cet état de fait et comment pensez-vous En fait, euh, les taux que vous avez donnés, je les connais bien mmh. parce que j'ai les statistiques, je suis les statistiques. Souvent, c'est avec nous-mêmes qu'on élabore les, mmh. les outils de, collecte des données. Mmh. Effectivement, vous allez voir quand vous allez lire les statistiques, vous pouvez comprendre qu'il y en a plus d'enfants qui sont euh, en détention préventive, que ceux qui sont condamnés. Mais dans la réalité, c'est le contraire. En fait, vous savez, nous avons des difficultés dans le fonctionnement de ces juridictions-là. Mm. Par exemple, tous les enfants qui vous considérez comme des prévenus, vous allez voir qu'ils ne sont pas jugés. Et pourquoi ils ne sont pas jugés Parce qu'à travers, après leur remise à liberté, on n'arrive plus à mettre la main sur ces enfants-là pour les juger. Mm-hmm. C'est pour cela qu'on voit un lot important des enfants qui sont prévenus et un petit lot qui sont condamnés alors qu'il c'est des condamnés qui sont censés être dans les milieux carcérales ou bien même à liberté. Mm. Donc c'est pour cela, dans les juridictions, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore jugés parce qu'ils ont été mis à liberté ou bien ils ont bénéficié d'une remise apparente et que le juge les a cherchés. Et pratiquement, vous savez, nous sommes dans un milieu où les gens n'ont pas d'adresse fixe. Mm. Et souvent, c'est comme ça, les dossiers s'entassent, ils ne sont, pas, ils sont pas jugés. Mm. Malheureusement, c'est la réalité, mais en réalité, les enfants ne sont pas effectivement détenus. Mm. Et quand on dit prévenu, eh, on peut être prévenu à liberté, parce que le juge peut mm. inculper l'enfant sur le champ, il l'inculpe, il le remet à ses parents. Mm. C'est un prévenu. Mais un condamné, c'est quelqu'un à travers lequel un jugement a été fait et maintenant sa, sa culpabilité a été voilà, pour purger sa peine. Mais c'est pour cela qu'on a un, un, lot important de prévenus, c'est parce que tout simplement, souvent quand les juges effectivement euh, mettre l'enfant, remettre à leurs parents ou bien à liberté. On ne retrouve plus maintenant les traces de l'enfant et le dossier est toujours là tant qu'il n'est pas jugé, il est considéré comme prévu. Alors, parlons des différentes peines que peuvent encourir ou qu'encourent les enfants. On a parlé des remises à euh, parents. Nignon avait évoqué le paiement En réalité, euh, moi, je, je m'installe dans la logique où il ne devrait pas y avoir de condamnation pour les enfants. Dès qu'on dit une peine, c'est une répression. Déjà... Alors que l'enfant mm. a besoin de rééducation, il a besoin d'accompagnement et d'un encadrement. Mm. Parce que même quand vous condamnez l'enfant, quel qu'il soit ce qu'il va euh, purger comme peine, euh, si toutefois il n'a pas été rééduqué, euh, je crois que c'est pratiquement une peine perdue pour lui. Mm. C'est pour cela qu'il faut aller plus dans les mesures alternatives. Et c'est pour cela que vous prenez la loi, même de la logique des législateurs aujourd'hui au Niger, il a préféré aller vers les mesures alternatives. C'est lorsque... Et les mesures alternatives, c'est... Par exemple, comme c'est ce qu'ils ont institué. C'est prendre des, mesures, n'est pas envoyer l'enfant en prison. Voilà, ce n'est pas complètement envoyer l'enfant en prison. Mhm. Chercher à rééduquer l'enfant, chercher à le réinsérer euh, dans le tissu social, chercher à le former mhm. pour qu'il puisse effectivement avoir une occupation. Mhm. Mais la prison, même quand l'enfant va sortir, s'il n'a pas été rééduqué à milieu carcéral, c'est qui est difficile dans notre euh, contexte parce que euh, au Niger, nous sommes jusqu'à présent sans politique ni stratégie en ce qui concerne la réinsertion. Hmm. Toutes les ONG qui interviennent, ils font à leur manière, ils essayent d'accompagner, mais il n'y a pas un cadre général, un cadre stratégique que l'État a, à spécifié, que tout le monde peut s'inscrire dans le cadre de ses activités. Mmh. C'est qui est difficile. Si aujourd'hui à Niamey, parce que Niamey, c'est la capitale, il y en a beaucoup des, acteurs qui interviennent. Mais quand vous partez à Ningimi, l'enfant qui est à Ningimi n'a pas aujourd'hui l'encadrement qui l'enfant de Niamey qui est détenu à Niamey là, mm. ou bien celui qui est à Agadez, il n'a pas le même encadrement. Donc c'est pour cela à Niamey il y a plus d'activités à l'intérieur. Et ça, même les activités, c'est pratiquement les partenaires qui les font. Et les partenaires les plus souvent de ces camps à Niamey, n'est hmm. pas tous les partenaires qui essayent d'aller à, la Zender ou bien à Maradi, etc. etc. Donc c'est pour cela, pratiquement, quand on dit condamnation, l'enfant, quel que soit les crimes qu'il a commis, il ne fait pas par exemple, être condamné à perpétuité, c'est-à-dire sans lui donner la possibilité de sortir. De sortir. Donc ça, c'est nos engagements au niveau des textes internationaux et notre texte aussi qu'on a ratifié au Niger. Hmm. Par exemple, là où il doit aller à une peine de 30 ans, on lui donne la moitié. Et le plus souvent, on préfère, on ne on souhaite même pas qu'on arrive à la condamnation. et pour l'enfant, la répression n'est pas une solution. Et elle aggrave son cas. Et le plus souvent, on a vu hein, des enfants qui ont grandi pratiquement dans les circuits euh, de la justice pénale, mais par finir, ils deviennent des caïds, ils deviennent des, des, des grands gangsters où finalement il finit pratiquement dans la prison. Toujours par rapport à ces peines alternatives, on parle de travaux d'intérêt général. C'est appliqué au Niger et en quoi il consiste Bon, Est-ce que c'est une peine alternative les c'est une peine. c'est une peine. C'est même pas une mesure alternative, c'est une peine. Dans les contextes du Niger, c'est une peine. Le travaux Les travaux d'intérêt général. Mais malheureusement, c'est un projet qui a été piloté pratiquement depuis 2000. 13-14, bien avant même cette, période-là, il y avait quelques juridictions qui ont été identifiées comme des juridictions pilotes, par exemple Gaïa et Niamey. Mais pratiquement après ces projets, on s'est rendu compte effectivement que le projet n'a pas été à la hauteur des attentes de, l'État du Niger. Maintenant, l'étige est là. Il y a une loi euh, qui a été faite pour que l'étige soit appliquée mais il n'y a pas un décret d'application. Parce que le TIGE, c'est pratiquement tout un paquet d'interventions. Ce n'est pas uniquement le travail en tant que tel, mais avant le travail, il y a beaucoup d'autres interventions qu'il fallait faire. Et on a besoin également, pour faire le TIGE, pour appliquer le TIGE, on a besoin également des partenaires. Parce que nous sommes dans un état où pratiquement la justice des mineurs ou la justice de manière globale, hein, euh, des points de vue du budget de l'État, occupe une place très dérisoire par rapport au financement. Donc c'est pour cela qu'on a besoin des de, partenaires et il y a beaucoup d'interventions en termes de sensibilisation, en termes de formation de la, de la société elle-même, des, bénéficiaires, parce que tu sais un travail. En même temps, il, profite, à, il profite à la société et il profite également aux délinquants. Donc avant c'était aux mineurs, mais depuis 2017, il y a une loi qui élargit les peines et les tiges aux majeurs également. Voilà. Hmm, bien. Je reviens à vous, Nignon Lengrand. Vous avez évoqué euh, au tout début les cas de peine appelés PEMO, qui signifie placement éducatif familial ouvert. Donc le PEMO qui est une mesure justement évitant d'envoyer un enfant en prison. En quoi euh, consiste cette mesure alternative concrètement en fait, cette euh, mesure permet euh, d'envoyer l'enfant, par exemple, euh, dans une formation professionnelle qui va être suivie, parce que ça reste une mesure judiciaire, donc c'est encadré, et ça va remplacer la détention préventive en prison. Donc on a réussi, grandir dignement, à mettre ça en place en partenariat avec le tribunal et le ministère de la Justice mm. pour euh, justement, comme vous l'avez montré tout à l'heure avec les statistiques, mm. éviter l'hyperincarcération qui est majoritairement euh, due à euh, la détention préventive. Mm. Donc là, c'est plus le tige qui est une peine, mais le PMO qui est une mesure en attendant le jugement. Et en fait, la réalité, c'est quoi C'est que quand l'enfant reste en prison il va rester souvent le maximum de son délai de détention préventive, c'est-à-dire des mois, voire des années, mmh. alors qu'il n'a même pas encore été euh, prouvé coupable, en fait. Mmh. Euh, et, en fait, c'est ça, il ne va pas sortir de, cette chaîne pénale avant un moment. Mm. Euh, et, en fait, il ne va jamais être assisté par un avocat pour l'instant. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va même pas être au courant d'où en est son dossier. Lui-même ne va presque même pas savoir s'il est prévenu ou condamné, en fait. Mm. C'est comme on le disait tout à l'heure, l'enfant n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe. Et il n'y a aucune personne qui va faire, en fait, son suivi judiciaire. Il peut être euh, même parfois oublié chez les majeurs parce qu'il y a aussi le problème de défi la minorité, tout le mm. monde n'a pas un acte de naissance. Mm. Donc en fait, cette euh, mesure PEMO va permettre d'éviter tout ce cercle vicieux-là mm. qui va euh, en fait euh, empirer la situation des enfants actuellement à Niamey, il y a un seul enfant condamné et 90 en prévention. Et cette PMO a fait ses preuves. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être efficace En fait, euh, je vous avoue que le PMO est, est, un, est un succès. On est vraiment euh, très heureux euh, de voir qu'en fait, on, a, on a pu vraiment la mettre en place en coordination totale avec les travailleurs sociaux du ministère de la Justice et des différentes autorités. Donc, on prévoit en fait euh, d'élargir cette euh, mesure maintenant à Zinder, maintenant qu'on euh, la trouve effective à Niamey, mhm. et peut-être aussi à Maradi très bientôt, mhm. pour vraiment lancer justement, comme vous le dites, au niveau national et pas seulement <laughs> s'occuper de la capitale. Et l'objectif, c'est de préparer l'enfant, comme vous l'avez dit, un peu à un projet de vie c'est ça C'est ça. Donc en fait, euh, c'est là où on, rebondit sur euh, le fait de réinsérer et pas de faire forcément de la répression. Donc là, c'est pour éviter justement, comme le disait euh, Marie tout à l'heure, le fait que souvent c'est des gros problèmes de précarité. Mmh. Donc mmh. là, ça évite déjà la vulnérabilité économique de l'enfant et évite de se retrouver à devoir tomber dans le vol et la délinquance. Bien. Madame Maria Madaura, euh, vous, qu'est-ce que vous préconisez comme mesure alternative dans toute cette panoplie de, mesures citées On a le paiement, on a le travail d'intérêt général, on a la remise à part. moi, je dirais que le paiement euh, serait plus efficace. Déjà que le TIGE, le travail d'intérêt général, ce n'est pas une mesure alternative. Euh, c'est une peine mais dans le PMO, on évite complètement la prison à l'enfant. On le remet à ses parents et on le met sous suivi d'un travailleur social afin qu'il puisse élaborer son projet de vie et ce travail social-là va le suivre, continuer à le suivre pour, une durée de 3 à 6 mois et pour voir l'évolution et enfin pour qu'il soit autonome, si on peut le dire, financièrement, ou économiquement. Donc, euh, ça éviterait à cet enfant-là de récidiver. Oui. Bien. La loi portant compétence, attribution, et euh, fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger dispose en son article 21, alinéa 3, que dans tous les cas, je l'avais déjà dit, hein, un peu en haut, le mineur en détention doit être séparé des adultes et placé dans un quartier spécial ou à défaut dans un local spécial. Euh, Monsieur Zakaria Oumahamadou, substitut du procureur ancien juge des mineurs, est-ce qu'aujourd'hui toutes les prisons du Niger disposent d'un quartier pour mineurs Sinon, quelles sont les régions qui n'en ont pas encore et pourquoi en fait, tel que la loi le dit, actuellement, il y a un véritable progrès au Niger par rapport au quartier des mineurs. Parce qu'il y a deux ans, trois ans en arrière, on ne disposait pas du nombre de quartiers de mineurs que nous disposons actuellement. Les enfants sont logés au même titre que les oui, majeurs. parce qu'effectivement, on parle de quartiers de mineurs. Vous savez, si nous voulons respecter les normes, on doit avoir des véritables quartiers de mineurs. Mais nous avons aujourd'hui pratiquement de secteurs où on place les mineurs dans chaque euh, maison d'arrêt à région depuis pratiquement 2010 hein, à région dans les 10 tribunaux de grande instance nous avons quand même une salle qui est réservée pour la détention des mineurs. Maintenant, depuis 2015, 16 et 17, plus de 17 quartiers ont été construits pratiquement même dans l'ETI. J'ai oublié, mais peu des juridictions aujourd'hui n'ont pas de quartier de mineurs. Ils sont très peu. Et le quartier de mineurs, effectivement, la détention, presque tous les enfants qui sont envoyés en milieu carcéral, dans les localités où il y a euh, le quartier des mineurs, sont détenus dans le quartier des mineurs. Et même dans les localités où il n'y a pas, euh, toujours le régisseur arrive à trouver une solution quand même locale mm. euh, pour éviter eh, la cohabitation ou bien l'incarcération des enfants avec des majeurs. Donc, il y a vraiment une véritable évolution par rapport à ça. Mm. On peut s'en féliciter en ce qui concerne la construction des quartiers des mineurs Mais au niveau des commissariats, est-ce qu'on peut, on, doit s'attendre à avoir euh, des salles de garde à vie propres aux enfants Si on doit respecter les textes, les normes internationales, on doit avoir des salles qui sont propres pour la garde à vue des enfants. Hmm. Mais malheureusement, même à Niamey, ne dispose pas d'une salle appropriée hmm. pour la garde à vue des enfants. Parce qu'à Niamey, il n'y a qu'uniquement au niveau du commissariat euh, central où on a des dispositions. Parce que là, il y a un service qui est créé et qui est pratiquement logé au niveau du commissariat central, service protection femmes et enfants. Hmm. Là où on tente de s'approcher quand même à une séparation de la garde à vue des enfants et des, et des majeurs. Mais toujours est-il dit que euh, les policiers aussi aujourd'hui arrivent à trouver les moyens de bord. Mais comme tenu de toutes les formations qu'on a eu à, faire pratiquement depuis 10 ans, mm. aujourd'hui tout le monde est sensible, tous les acteurs qui interviennent sont sensibles par rapport à ces, au respect de ces dispositions-là. Mm. Vous allez voir, même s'ils n'ont pas une salle propre pour garder les enfants, mm. ils arrivent à trouver la salle ou un bureau où ils mettent les enfants en attendant leur, euh, leur au parquet. Mais sinon, il y a un véritable euh, effort qui doit être fait au niveau du commissariat pour qu'au niveau de toutes les brigades des mineurs, parce qu'ils ont créé beaucoup de brigades des mineurs où c'est des, officiers et des inspecteurs spécialisés qui interviennent pour l'enquête les pour mineurs en ce qui concerne les mineurs. Donc on doit également aller dans l'essence de la création de ces dispositifs-là. Euh, je voudrais avoir rapidement vos réactions à, toutes les deux euh, par rapport à l'importance des quartiers pour mineurs. Euh, je, commence par vous, oui. Allez-y, Nino Lingra. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est un, grand droit fondamental euh, de l'enfant de ne pas être euh, mélangé aux adultes. C'est une énorme chance que des quartiers de mineurs soient de plus en plus construits. ce qui est délicat, c'est que dans les périphéries, souvent, en fait, ils se retrouvent aussi dans certaines prisons avec très peu de mineurs un, peut-être deux. Mm. Donc c'est vrai qu'en fait, dans certaines prisons, encore, on n'en est pas à là. Par exemple, euh, à Niamey ou à Zinder, qui sont des prisons que je connais bien, il y a un quartier pour mineurs, mais qui est en surpopulation totale. Ils mm. sont, il y a une capacité de 60, mais il y a 100 mineurs dedans, une capacité de 40, et il y en a 70 dedans. Mm. Donc... Euh, c'est quand même un voilà, on doit encore euh, un nouveau défi à relever. Et mm. il y a aussi le problème de logistique où en fait euh, c'est tellement d'administration qu'en fait, il y a des mineurs qui sont pas repérés et qui sont chez les majeurs et qu'on retrouve euh, quatre mois plus tard. Et vous, je vous laisse imaginer la vulnérabilité d'un mineur au milieu d'un quartier de majeur. C'est vraiment, euh, c'est vraiment inquiétant en fait. Madame Maria Madaura. Je dirais aussi que l'importance d'avoir un quartier des mineurs pour les mineurs au niveau de la, des maisons d'arrêt est mm. primordiale du moment où c'est deux personnes différentes avec euh, des pensées différentes. Et pour moi, il y a risque quand le mineur se trouve avec les majeurs qu'il y ait une influence négative sur le comportement de l'enfant, alors qu'on lutte pour que cet enfant-là change de comportement. Même si en région, les mineurs sont minoritaires, mmh. c'est toujours important qu'ils soient placés à part que de les mélanger avec euh, les majeurs. Bien. Nous allons terminer par euh, les mesures, les difficultés et les mesures d'amélioration. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés dans le traitement et la prise en charge des cas d'enfants en conflit avec la loi Je commence par vous, M. Zakaria Mahmoudou. En fait, euh, la justice des mineurs est une justice qui a besoin de plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le juge. Le juge a besoin d'autres acteurs l'accompagne dans le traitement notamment nous avons besoin de travailleurs sociaux, nous avons besoin de psychologues, de sociologues et même des cliniciens souvent, parce qu'on peut trouver des pathologies aujourd'hui eh, qui ne relèvera même pas de la compétence d'un travailleur social. Il faut un clinicien pour faire le diagnostic. Donc, euh, les difficultés que nous avons aujourd'hui, euh, du point de vue de, l'effectif, quand vous partez dans les juridictions, en dehors des juges des mineurs, heureusement, maintenant, il y a, dans les régions, il y a des travailleurs sociaux, on a créé des services sociaux euh, avec peu de moyens aussi pour leur mission. C'est ces difficultés que nous avons. Les euh, ressources, humaines. ne sont pas tout à fait à la hauteur de la tâche. Mm. Et il y a aussi une autre difficulté, c'est surtout les structures d'accueil. Parce que quand on, voudrait faire la protection de l'enfant, on a besoin quand même de structures. Et il y a aussi un problème de collaboration au niveau même euh, de l'État. Parce qu'aujourd'hui, en 2016, moi, j'avais fait une, étude pour le compte de l'UNICEF où j'ai sillonné le Niger et j'ai sorti un document sur les besoins, les besoins de manière générale en matière de justice des mineurs et les opportunités aussi qui, existent au niveau de l'État mm. pour faire la réinsertion de ces enfants-là. Mm. Donc l'État a effectivement a créé beaucoup d'opportunités, beaucoup de centres, beaucoup de euh, services qui peuvent offrir à un enfant une insertion, etc. etc. Parce que pour <coughs> ces, cas de structure euh, d'accueil dont vous parlez, il n'y a que celui de le centre de Dakoro, c'est ça Il n'y a pas le centre de Dakoro. On a créé deux autres centres, un à Niamey et un à Tawa, qui mm. sont en train d'être opérationnalisés depuis pratiquement 2018. Mm. Par exemple, à Niamey, on a créé un centre des enfants en conflit avec la loi et à Tawa aussi. Mm. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a le dispositif qui ne, qui ne suit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a, pas pratiquement tout ce qu'il faut pour prendre en charge un enfant. On a besoin également, en termes même de, de structure, euh, qu'il y ait plus de collaboration. La collaboration, Entre les différents acteurs. Voilà. On a besoin aussi de stratégies, de documents de stratégie. Par exemple, pour l'État, doit définir une stratégie de manière générale pour effectivement euh, réinsérer ces enfants-là. Nous avons une politique de protection judiciaire du 2014-2018 qui mm. était complètement à, la fin de, de, sa mise en œuvre, on doit également songer à évaluer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pour également écrire ou bien repenser une autre politique. Mm. Donc, heureusement, d'ailleurs, il y a aussi et des aspects positifs. Par exemple, le fait que les acteurs se connaissent pour la plupart, mm. parce qu'on on travaille ensemble dans les cadres de formation. Mm. La police, la gendarmerie, les travailleurs sociaux, les magistrats, les, juges de mineurs et même les, les, parquetiers, on mm. se retrouve toujours. On arrive à, à échanger, à discuter entre nous pour toujours mettre en avant l'intérêt euh, supérieur de l'enfant, pour toujours mettre en avant également la rééducation des, enfants. Mais sinon, il y a beaucoup de défis. On a besoin des moyens, euh, tant humains, euh, financiers et même structurels, pour effectivement accompagner ces juridictions-là. Bien. Madame Mariama Daura, quelles sont, on va dire, les difficultés auxquelles vous, dans, le dans votre travail quotidien, vous êtes confrontée Dans notre travail quotidien des travailleurs sociaux, le juge a tout dit. Mm. Il a dit les services, des services sociaux ont été créés, mais avec peu de moyens. Mm-hmm. C'est toujours les moyens qui manquent aux services sociaux des juridictions pour qu'ils puissent mener à bien eh, les tâches qui leur sont confier Je voudrais aussi parler du manque de synergie entre acteurs. Si aujourd'hui tous les acteurs qui interviennent pour le bien-être des mineurs sont en synergie, essaient de se retrouver chaque fois autour d'une même table pour discuter, le problème des mineurs allait être vraiment résolu, j'allais dire. Une difficulté est souvent euh, relevée, c'est que certains parents, dès que leur enfant est arrêté, incarcéré, et ils coupent le pont euh, on ne les voit plus. Vous avez dû remarquer cela. On a toujours remarqué, il y a des cas où les enfants, les, les enfants ne reçoivent aucune visite. Et là, nous, on essaie de retrouver la famille et d'essayer de comprendre leur refus de porter assistance à leurs enfants et dans la majorité des cas, on parvient à dissuader les parents. Et après notre visite, tout de suite, vous allez voir que les parents vont commencer à venir rendre visite aux enfants. Mm. Sinon, quand les, les parents ne viennent pas, quand l'enfant n'a aucun soutien, l'enfant est déprimé et il se sent abandonné parce que les autres ont leurs parents qui viennent le voir, mais lui, personne, ça, c'est décourageant et c'est révoltant. On essaie de les, de les calmer et on se met tout de suite à la recherche des parents et on a toujours des résultats. Sauf au cas où les parents de l'enfant ne sont pas dans la ville de Niamey. Hmm. Pour finir, euh, Nino euh, Lengrand, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes souvent confronté moi, je ressens pas forcément le manque de moyens de la même manière parce que notre politique en organisation, c'est de pouvoir créer en fait des systèmes qui n'en demandent quasiment pas. Par exemple, le PMO, euh, a été fait de telle manière qu'il demande peu de moyens, mais surtout de la collaboration et de la synergie entre les acteurs, comme ça a été mentionné. Et en fait, il y a plusieurs pistes qui pourraient déjà beaucoup simplifier le travail. Par exemple, l'incarcération systématique, c'est-à-dire que même dès le début de la chaîne pénale, si on pouvait éviter déjà d'incarcérer pour lutter contre la surpopulation des jeunes qui sont là pour euh, tentatives de vol de planche, qui sont là pour vraiment des délits qui sont en fait par rapport au reste des personnes incarcérées des broutilles, mmh. déjà en en fait, ça nous aiderait beaucoup. Et ça, mm. ça ne coûte rien mm. d'autre que de la sensibilisation auprès des acteurs de justice. Mm. De dire, on ne peut pas laisser des mois, des années, des enfants qui sont là pour une bêtise et qui ne se rendent même pas compte, en fait, de la portée. Alors que ça va sûrement complètement détruire leur estime d'eux-mêmes d'être en prison et les pousser encore plus en fait à la délinquance. Euh, c'est vrai que la coopération et la synergie est essentielle parce que beaucoup beaucoup d'acteurs agissent même en périphérie, c'est juste qu'on ne se connaît pas entre nous. Du coup, on fait les mêmes activités, on ne se consulte pas. Euh, là, j'en profite pour annoncer que en fait la plateforme de tous les acteurs du milieu carcéral va être relancée. On a obtenu un financement de l'ambassade de France, on a appris ça hier et en fait pour relancer pendant un an les activités de la plateforme, donc autant les autorités gouvernementales que la société civile et rencontrer deux fois par an tous les acteurs de l'ensemble du Niger et pas seulement de Niamey pour pouvoir euh, élaborer ensemble une stratégie nationale. Ça a été mis en place il y a quelques années, mais ça s'est perdu, donc euh, voilà. si c'est pour euh, un point positif <laughs> <laughs> sur le sujet. Monsieur Zakaria Oumamadou sur quoi aujourd'hui miser pour faire reculer le cas d'enfants en conflit avec la loi et la récidive À mon avis, il faut plus d'accompagnement, il faut plus de sensibilisation, d'abord de la population, notamment le parent, pour que chacun puisse euh, remplir ses devoirs. Parce que le facteur le plus déterminant, c'est la démission des parents. Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'acteurs, c'est peut-être quelque part, euh, les parents ont été défaillants ou bien ont complètement démissionné. C'est pour cela que l'enfant s'est trouvé dans la délinquance et nous, on, on cherche à remédier. Donc il faut sensibiliser la population pour qu'effectivement chacun comprenne son rôle en tant que parent, ses obligations et ses devoirs en tant que parent pour donner à, un, à son enfant une véritable éducation. L'État aussi doit accompagner les enfants à travers la création hein, des services sociaux de base qui sont vraiment opérationnels et qui sont vraiment de qualité pour qu'ils puissent effectivement accompagner les enfants dans les mécanismes de leur développement. Fin du forum d'aujourd'hui sur le thème Les enfants en conflit avec la loi, traitement et prise en charge des cas. Il ressort que l'un des facteurs clés de la délinquance juvénile, c'est le manque ou la faiblesse de l'encadrement familial. Pour ce qui est des mesures prises contre les jeunes délinquants, les acteurs ici présents recommandent vivement les mesures alternatives à l'incarcération. Il s'agit entre autres de la remise à parents ou encore du paiement, le placement éducatif milieu ouvert consistant à inscrire et suivre l'enfant autour d'une forme formation professionnelle, par exemple. Ces mesures, cependant, demandent une planification de moyens humains et matériels suffisants. Par ailleurs, les invités ont également souligné la nécessité d'accentuer les formations en faveur des jeunes détenus à divers métiers pour leurs projets de vie future. Nous étions en compagnie de M. Zakaria Mahamadou, substitut du procureur et ancien juge des mineurs, euh, Madame Mariama Daura, travailleur social au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, et Nino Lingran, chargé de projet carcéral et post-carcéral à l'ONG Grandir Dignement. Présentation à Alassane Kouzi Mahamadou, volet technique assuré par Issa Laweli.